le forum du studio le forum studio forum studio le forum le forum le forum studio le forum le forum forum studio le forum studio Fidèles auditeurs, euh, bonsoir et bienvenue dans votre forum sur le studio Kalangu. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour grâce à un réseau dynamique de 34 radios partenaires qui diffusent en direct nos programmes dans toutes les huit capitales régionales et dans une vingtaine de départements du pays. À Niamey, les programmes du studio Kalangu sont diffusés par Alternative FM 99.4 MHz, Quartier FM 90.9 MHz et Challenge FM 96.6 MHz, notre page Facebook Studio Kalangu et notre site internet www.studiokalangu.org. Bienvenue à ce rendez-vous de forum sur le Studio Kalangu, votre débat radiophonique abordant des sujets de tout genre que vous vous posez régulièrement en lien avec l'actualité ou la société. L'objectif étant de trouver des éclairages à vos interrogations avec des personnes ressources et des spécialistes du domaine. Ce mercredi 11 juillet 2018 est célébrée la Journée mondiale de la population instaurée depuis 1989 par le Programme des Nations Unies pour le développement suite à l'intérêt suscité la journée des 5 milliards d'habitants célébrée le 11 juillet 1987 dans le but d'attirer l'attention de tous sur l'importance des questions en lien avec la population mondiale qui connaît une croissance fulgurante ces dernières décennies. Le thème retenu pour l'édition 2018 de la célébration de cette journée est La planification familiale est un droit humain. À cette occasion, le studio Kalangu vous propose ce soir comme thème Croissance démographique et défis de développement. Quelle perspective pour le Niger Comme vous le savez, le Niger est le pays qui a l'un des plus forts taux de natalité au monde. Quelle analyse faut-il faire de cette croissance rapide de la démographie Peut-on réellement parler de problèmes démographiques au Niger quelles sont les stratégies et politiques mises en œuvre face à cette forte croissance démographique Quels en sont les résultats obtenus quels sont les défis liés à la croissance démographique au Niger Existe-t-il un lien entre la croissance démographique et la pauvreté Quelle lecture faut-il faire du thème de l'édition 2018 de cette journée mondiale de la population La planification familiale est un droit humain. Qu'en est-il de la perception des citoyens par rapport à la planification familiale Quelle différence y a-t-il entre planification familiale et limitation des naissances Quels sont les différents types de contraception que nous avons actuellement Ces moyens contraceptifs sont-ils à la portée des populations quelles solutions proposer face à cette croissance rapide de la démographie au Niger Voici les principales questions auxquelles nous tenterons de trouver des éléments de réponse au cours de ce forum qui reçoit comme invité Amani Hashimou. Il est démographe, chercheur à l'initiative OASIS qui signifie Organizing to Advance Solutions in the Sahel, organiser l'avancement des solutions au Sahel. Amani Hashimou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. Nous avons également comme invité Maïmoun Saleh, leader au programme de leadership au Sahel. Maïmoun Saleh, bonsoir. Bonsoir, monsieur Michel. Enfin, nous avons Innocent Ibrahim, qui est lui, jeune leader associatif engagé dans la promotion de la planification familiale. Ibrahim Innocent, bonsoir. Bonsoir. À la présentation, Michel Dégé. Monsieur Amania Choumou, démographe, euh, chercheur à l'initiative euh, Oasis, euh, quelle analyse peut-on faire de la croissance démographique au Niger Merci, euh, Monsieur Michel. Euh, par rapport à la Journée mondiale de la population, c'est l'une des manifestations euh, qui consiste à relever certains défis de la société. Parce que euh, aujourd'hui, on sait pertinemment que la Journée mondiale de la population est organisée chaque 11 juillet de chaque année pour éveiller la population, sensibiliser la population et parler des questions de population, des interrelations qu'il y a entre population et développement. Parce qu'aujourd'hui, si la population ne fait pas un certain lien entre les défis qu'elle rencontre et le développement auquel elle s'attend, elle ne pourrait pas agir de façon efficace pour atteindre les objectifs du développement. Et euh, le Niger, comme leader partout dans le monde, dans les conférences, dans la littérature euh, de recherche euh, sociale, le Niger est présenté toujours comme étant le record de la fécondité. Mm-hmm. Cela est vrai parce que de façon technique, la femme nigérienne a en moyenne plus d'enfants que les autres femmes des autres pays du monde. Donc euh, la croissance démographique au Niger est une réalité parce que la vitesse avec laquelle la population du Niger s'accroît est de 3,9% selon euh, les le recensement de la population de 2012. De euh, l'Institut national, de la statistique et cela révèle déjà un doublement en 18 ans de la population nigérienne d'ici 2034, lorsque la manière dont la population s'accroît et ne soit pas, pas modifiée mhm. positivement ou négativement, la mhm. population nigérienne doublera en 2034, mhm. c'est-à-dire euh, euh, dans 18 ans. 18 ans. Tout cela est un défi à relever. Alors peut-on réellement parler de problèmes démographiques euh, au Niger oui, on peut réellement parler du problème démographique au Niger dans la mesure où les défis liés à la croissance démographique sont réels. Bien entendu, une population ne peut diminuer de s'accroître avec une vitesse euh, exponentielle comme ici au Niger que lorsque elle accomplit sa transition démographique. Je voudrais dire lorsque la population transite d'un taux de mortalité et de fécondité élevé à un taux de mortalité et de fécondité fécondité faible, où donc la proportion des personnes euh, actives euh, est élevée par rapport à la proportion des personnes inactives. Nous allons revenir à vous. Ibrahim Innocent, jeune leader associatif engagé dans la promotion de la planification familiale. Selon vous, quelles sont les causes de cette forte euh, croissance démographique au Niger Merci Monsieur Michel, mhm. la raison de cette euh, forte croissance démographique est essentiellement due au taux de fécondité. Le taux de, fécondité, la moyenne par femme est de 7,6 mhm. mhm. enfants par femme. 7,6 enfants par femme. Et il y a ce qu'on appelle le taux de désir qui dépasse les 7,6 qui part de 8 à 9 selon les zones. Ça, c'est purement culturel nos sociétés sont des sociétés pronatalistes. Mhm. Au Niger, on a une société fortement nataliste, tant au niveau des hommes qu'au niveau mhm. des femmes. Chacun veut avoir le maximum d'enfants. Mhm. Donc le taux d'enfants désirés part au-delà de la moyenne déjà enregistrée, de 7,6 enfants par femme. L'autre facteur, c'est le fait que certains régions. Quand vous mhm. prenez par exemple la région de Zender, la région de Maradi, ce sont les régions qui contribuent le plus au taux de fécondité au niveau national. Mhm. Alors que quand vous comparez avec la zone d'Agadez par exemple, c'est assez bas par rapport à la moyenne d'enfants qu'ont les femmes. Vraiment, la cause est essentiellement aux facteurs socio-culturels de notre pays. D'abord, la polygamie, parce mhm. puisque plus on a plus de femmes, plus les femmes font de la concurrence pour avoir le maximum d'enfants, pour avoir peut-être euh, une part d'héritage assez élevée. Tout ça, ce sont des facteurs purement culturels et sociaux. Socio-culturels. Hein. socio Saleh, leader euh, au programme de leadership euh, au Sahel, quelle analyse faites-vous par rapport à cette croissance démographique au Niger Donc, nous sommes une population vraiment où le poids de la religion, de la culture fait en sorte que les femmes, bien que les hommes, veulent, désirent plus d'enfants nous avons cette euh, croissance galopante. En 2017, euh, c'était de 18,8 millions d'habitants et cette croissance va tripler d'ici 2050, passant plus de 50 millions. Mhm. Donc, euh, ça doit interpeller. C'est vraiment une question cruciale que nous tenterons vraiment de, voir les contours. Hachimo, est-ce qu'il y a d'autres facteurs L'âge au premier mariage et mhm. l'utilisation contraceptive. Mhm. On se rend compte que euh, par rapport à l'âge au premier mariage, lorsque une femme entre euh, dans sa vie féconde à un âge euh, précoce, par exemple 16-17 ans, le mhm. nombre d'enfants qu'elle aura à la fin de sa vie féconde sera beaucoup plus élevé que mhm. lorsqu'elle est euh, rentrer dans sa vie féconde, par exemple, à un âge avancé, par mhm. exemple 25 euh, ans, 30 ans ou 26 ans. Mhm. Et donc, le facteur âge au premier mariage est un facteur déterminant vraiment de la fécondité au Niger. Et on se rend compte qu'il y a une grande proportion de jeunes filles et garçons qui rentrent dans leur vie féconde à un âge précoce. Mhm. Et c'est ça aussi le défi. Et par rapport à l'utilisation de la méthode contraceptive, vous savez que euh, même quand les conditions sont réunies pour euh, réduire une euh, fécondité, il faut utiliser la contraception. Et le défi est là. Au Niger, comme vient de dire euh, les deux euh, euh, intervenants. Les facteurs socioculturels contribuent beaucoup dans l'explication de la non-utilisation de la contraception pour réduire la fécondité. Donc à ce niveau, vraiment pour agir, il suffit d'agir dans les facteurs sociaux culturels favorables. Et l'âge au premier mariage est influencé, bien entendu, par un certain nombre de facteurs tels que la scolarisation. Lorsque aujourd'hui nos jeunes partent à l'école et ils s'y maintiennent, il est logique qu'ils se marient un peu tardivement et cela pourra avoir une euh, influence, réduire le nombre d'enfants qu'ils pourraient avoir parce qu'ils ont commencé tardivement leur vie fréquente. Madame Maïmouna Saleh, quelle lecture faut-il faire alors euh, du thème de l'édition 2018 euh, de cette journée mondiale de la population Le thème c'est, je le rappelle, la planification familiale est un droit humain. Maïmouna Saleh, leader au programme de leadership au Sahel. Merci, Monsieur Michel. Mhm. Et avant de continuer sur cette question, je voudrais faire un retour feedback euh, sur euh, la, précédente, mhm. sur euh, les, causes qui contribue vraiment au rehaussement de cette euh, population. Je dirais vraiment, c'est de toucher le côté éducatif, donc l'éducation. Il faut mhm. vraiment taper sur l'éducation parce que nous avons recensé que si on prend une famille qui a un niveau acceptable d'éducation, ils ont moins d'enfants qu'une famille qui n'en a pas. Et c'est simple à, à, justifier. Nous prenons les zones rurales un peu reculées où l'éducation euh, de base n'est pas présente. Nous allons voir que c'est juste sur une année, c'est un temps seulement que les, les, les, membres de famille ou bien le chef de famille travaillent. Donc la plupart du temps, il est là devant sa case. Donc vous voyez, ils sont plus pronatalistes que ceux qui travaillent ou bien qui partent à l'éducation, qui partent au travail. Quand ils sont venus, ils sont plus fatigués. Donc le côté éducatif, je crois que ça a un rapport euh, sur le développement euh, de la, de la croissance démographique. Revenons sur le thème de la journée mondiale de la population. D'abord, nous sommes d'accord que les droits humains constituent le socle de la liberté mhm. et de la dignité qui doivent être garantis pour tout être. Ce ne sont pas juste des simples idéaux, ce sont bien des droits que tout gouvernement doit respecter et protéger pour l'ensemble de ses citoyens. ces droits humains sont inscrits dans des conventions, des accords des déclarations et traités internationaux. Hmm. Nous avons comme Déclaration universelle des droits humains, nous avons le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux, culturels, le pacte international des droits civiques et politiques. Nous avons aussi la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention relative aux droits de l'enfant. Tous ces droits et ces accords font que la planification familiale est un droit fondé sur des droits humains reconnus partout dans le monde. Maintenant, ces droits à la planification familiale reconnus à l'échelle internationale sont le droit au meilleur état de santé susceptible d'être atteint, le droit de décider du nombre d'enfants, du nombre de grossesses, et du moment de la grossesse et de l'espacement des naissances, les droits de l'information, droit à l'égalité et le principe de non-discrimination. Tous ces droits, pour les garantir, nous devrons respecter un certain nombre de points. Le premier, nous pouvons dire la disponibilité. Quand on parle de disponibilité, il faut que le produit soit et les services soient disponibles en quantité à tout moment. Acceptable, vous avez vu les, droits qu'on avait cités. Acceptable vis-à-vis de la culture. Acceptable vis-à-vis du, plan économique. Acceptable aussi sur le plan physique et aussi qu'il soit accessible. Accessible, là aussi, c'est vu le coût des prestations et aussi le milieu environnement et la qualité des services. Vraiment, il faut que ces différents points soient respectés. Innocent Ibrahim, quelle analyse vous suscite ce thème D'abord, c'est un thème très pertinent et qui vient à point nommé. Et ma consoeur a déjà listé l'ensemble des droits qui que sous-entend cette thématique. Effectivement, la planification familiale est maintenant une question de droits humains. Ça ne doit même plus être à l'étape de plaidoyer que nous menons. Ça doit être vraiment, normalement, une appropriation de tous les acteurs hmm. et aussi les cibles. Les populations aussi doivent comprendre que, à travers la planification familiale, c'est leur bien-être qui est recherché que, si vous voulez, la planification familiale est la résultante transversale à toutes les thématiques ou à tous les secteurs de santé. Donc, l'individu qui est issu d'une famille planifiée d'office joue en tout cas de tous les droits, de tous les avantages en matière de santé. C'est votre conviction. On va poser la question aussi euh, au démographe euh, que nous avons, Amani Hashimou. Est-ce que vous pensez que réellement la planification familiale euh, doit être un droit humain Il est déjà d'ailleurs, c'est la mise en œuvre qui pose problème. Nos lois, les textes, les conventions internationales reconnaissent cela comme étant un droit. Maintenant, c'est au niveau de l'acceptation que les problèmes se posent. C'est un droit, c'est justifié, comme vient de le dire eh, Monsieur Innocent. Et ce qu'on vit, c'est le bien-être. Lorsqu'une famille est planifiée, cela sous-entend que les droits à la santé, à l'éducation sont poursuivis est et que à long terme ou à court terme, cette famille pourra bénéficier du bien-être. Donc euh, c'est un droit, c'est un droit reconnu, mais euh, des efforts restent à faire par rapport aux défis liés toujours euh, aux obstacles tirent de nos sociétés. Maimoun Saleh, vous, vous êtes spécialiste euh, en planification familiale. Quel en est-il de la perception des citoyens par rapport euh, à, cette problématique justement de planification familiale Et Monsieur nous vient de dire, la planification familiale est un acquis déjà. Est-ce que maintenant les, citoyens savent que c'est leur droit. Ils ont droit à cette planification, plus précisément les femmes, mmh. parce qu'il s'agit ici du couple. Et quand on dit c'est la femme, est-ce que c'est la femme qui choisit sa méthode contraceptive ou bien c'est l'homme Quand on est à un moment où la femme ne peut pas choisir sa méthode, je crois que le droit là est parfoui. Donc la femme n'a pas un droit à la contraception. Le choix doit se faire comment par rapport aux méthodes contraceptives Puisque vous le dites, c'est un couple, c'est un homme et une femme. Est-ce à dire qu'ils doivent dialoguer ou travaillons avec chaque contexte. Ici au Niger, vous voyez, nous avons le poids de la culture, nous avons le poids de la religion qui est là. Et voilà que la PF est un droit mhm. pour la femme, pour le couple. Est-ce à dire que la femme, malgré que l'homme s'oppose à la planification familiale, elle a le droit de faire son choix C'est une question, c'est un défi ici, parce que nous risquons d'altérer ce foyer-là. C'est de donner, de permettre à chaque femme de prendre sa méthode à l'encontre du choix de son mari on a un problème. Donc le plaidoyer doit continuer dans le sens vers les hommes, à ce qu'ils laissent le libre choix à leurs femmes ou au dialogue. Voilà là où le, le plaidoyer doit venir. Parce que nous sommes sur le terrain, nous sommes des techniciens du terrain et nous voyons ce qui se passe actuellement les femmes que vous rencontrez, qu'est-ce qu'elles vous disent justement par rapport à la planification familiale Est-ce à dire qu'elles vous disent que c'est leur époux qui refuse qu'elles puissent jouir des méthodes contraceptives Il y a certaines femmes qui viennent, mmh. qui choisissent des méthodes, qui repartent et qui reviennent pour laisser tomber ces méthodes. Quelles sont les raisons Les maris n'acceptent pas. Mon mari n'a pas accepté mon choix. Ou après avoir fait le counseling, la femme dit qu'elle doit retourner demander l'avis de son mari. Quand ça se pose, je crois que le droit à la planification familiale n'est pas atteint au Niger. Et quelles solutions, quels remèdes vous leur proposez quand vous faites face à ces genres de situations Un, c'est l'implication des maris dans la planification familiale. Il faut les impliquer. C'est une question de couple et non une question de femme uniquement. Et c'est là où vraiment l'approche n'est pas n'a pas été bien dès le début. Mais maintenant, avec les écoles de Marie, je crois, avec le plaidoyer qui continue à l'endroit de saison, avec l'implication de, la jeunesse aussi, je crois que ça tend à changer. Qu'est-ce que vous leur dites euh, d'en discuter avec leur mari, c'est ça Nous appelons même les maris à venir où nous nous partons. Maintenant, on a changé. Est-ce qu'ils acceptent tous de venir C'est pour cela nous avons on a mis en place la stratégie Marie modèle de l'école des maris. Parce que vous savez, il y a la culture qui est là. Et aussi, il y a l'information erronée qui est là. Il y a aussi euh, la lecture des tests religieux qui sont un peu euh, voilà un mal interprétés. il y a la mal interprétation des tests qui est là parce que quand on dit planification familiale, ils se disent non, la religion a dit, mais même la religion a dit, il faut allaiter ton enfant jusqu'à 2 ans, jusqu'à 24 mhm. mois. C'est déjà une méthode contraceptive. C'est déjà une méthode contraceptive. Oui. Mhm. Mais l'allaitement maternel, il y a beaucoup d'autres aspects pour que ça soit là. Est-ce que ces aspects-là, les hommes sont en train de les respecter aussi Innocent Ibrahim, vous êtes aussi spécialiste euh, en matière de planification familiale et vous vous agissez beaucoup plus au niveau des groupes des jeunes. Cette réticence des hommes, selon vous, qu'est-ce qui la motive Donc il faut dire qu'en général, mhm. les populations ne sont pas très favorables à la planification familiale. À la oui. Beaucoup ont des a priori, ils ont des préjugés, de sorte que souvent, tous les efforts que font l'État et les partenaires rencontrent assez d'obstacles dans leur mise en place. Et vous avez entendu au départ, elle avait parlé en matière de, droits quand elle déclinait. Elle avait mis aussi l'accent sur l'environnement militant. Donc il faudrait que du point de vue structurel et du point de vue supra, qui lèvent vraiment les conditions qui concourent à favoriser vraiment la vulgarisation de la planification familiale. Le fait que même du point de vue des lois, puisque ce n'est pas que les populations, mais les décideurs aussi, souvent ne sont pas très favorables à la planification. Au Niger, la loi autorise la planification familiale. Il y a cette loi, mais cette loi n'est pas tellement explicite. Quand vous partez dans les détails, il y a assez de barrières aussi qui sont contenues aussi. Au niveau de la loi donc quelles sont, ces barrières, euh, vous pensez, à votre niveau Par exemple, selon cette loi, seuls les jeunes qui sont en union, particulièrement qui sont en couple, mm-hmm. donc qui sont unis par le lien du mariage, mm-hmm. Mm-hmm. donc ont besoin de contraception ou peuvent recourir à la contraception. Et ça, c'est un aspect aussi que les lois aussi doivent ne pas se taire sur certaines réalités aussi. Est-ce qu'on se comprend Les jeunes qui ne sont pas en couple, donc mhm. ils ne sont pas ou ne sont pas autorisés à utiliser. En fait, c'est qu'il y a une grande problématique euh, qui est posée ici. Il y a aussi des acteurs qui luttent contre les IST, VIH/SIDA. On le sait bien. Et souvent, c'est vrai, c'est des sujets tabous. Par les jeunes. Donc, si les jeunes n'utilisent pas ces moyens, ils sont exposés à des maladies et ça fragilise un peu la jeunesse, qui est euh, l'avenir du pays. Du fait de facteur tu culturel aussi, un jeune aujourd'hui qui part dans un centre pour euh, solliciter un service en matière de planification familiale, généralement, il, il, rencontre un certain rejet même des spécialistes pour la simple raison que dans notre éducation, on ne peut pas comprendre qu'un jeune vienne recourir à des méthodes contraceptives. Donc c'est bien normal aussi du, quand on parle du point de vue socioculturel. Mhm. Mais quand on parle du point de vue réalité et du droit et des droits humains, mhm. ce jeune peut prétendre à où cette jeune peut prétendre aux méthodes contraceptives. Ce sont des aspects que doit prendre vraiment la loi mhm. et on doit tendre vers l'actualisation vraiment de cette loi pour prendre en compte toutes les réalités. Et il faut aller vers le plaidoyer pour régler ce problème. Le plaidoyer à l'endroit particulièrement de la deuxième catégorie des décideurs, quand je dis décideurs entre griffes, mhm. mais des influenceurs. À ce niveau, je là plutôt d'influenceurs. Mm. qui sont les religieux, qui sont les, leaders coutumiers aussi. Oui, Maimouna Saleh, vous êtes spécialiste de la planification euh, familiale. Euh, quelle lecture vous faites euh, actuellement de l'accessibilité des méthodes contraceptives aux populations et aux citoyens de façon générale en plus Nous savons qu'au Niger, les prestations de planification familiale sont gratuites dans nos centres publics. Mm-hmm. Maintenant, l'accessibilité à la population. Gratuit, ça veut dire euh, Gratuite, c'est-à-dire la, la, la, cliente peut partir, se procurer de la méthode au niveau de nos structures sanitaires publiques ici au Niger, gratuitement, sans aucun frein. Mhm. Maintenant, cette accessibilité à la population, quelle tranche de la population Monsieur Innocent a parlé de la jeunesse. Les jeunes et adolescents, est-ce qu'ils ont cette accessibilité oui, c'est accessible à un groupe de population, mais pas à un autre. C'est la gratuité qui n'est pas accessible donc aux adolescents ou expliquez-nous cela. Non, c'est l'accessibilité des services. Par exemple, les jeunes et adolescents, nous avons un problème ici à leur niveau. Quel est le problème le réellement Le problème réellement, mm. c'est est-ce qu'un jeune, vu le contexte nigérien, peut se permettre d'aller dans un centre pour se procurer des méthodes contraceptives. Il y a la stigmatisation qui est là il y a les valeurs personnelles qui sont là des prestataires, alors qu'ils devront utiliser leurs valeurs professionnelles. Ça veut dire que même les jeunes adolescents ont droit à ces méthodes contraceptives. D'après la loi, c'est uniquement les jeunes en couple. Mhm. Donc vous voyez, et nous, sommes, <laughs> nous sommes d'accord que maintenant les jeunes et adolescents sont sexuellement actifs. C'est que ça veut dire si la loi n'a pas prévu ça pour les adolescents, c'est peut-être parce qu'il y a des inconvénients. Michel, nous sommes face à une population euh, jeunes jeune et adolescents qui sont sexuellement actifs. Nous devrons juste nous allier à la loi ne pas leur permettre d'aller pour une méthode contraceptive, qu'est-ce que vous pensez Il faut recadrer la loi. Vous avez l'habitude de rencontrer ces jeunes euh, adolescents qui sont exposés donc à des problèmes tels que euh, grossesse euh, précoce ou non désirée. Qu'est-ce que vous leur expliquez à votre niveau Nous les sensibilisons sur l'utilisation du préservatif, sur l'utilisation des méthodes contraceptives. Vaut mieux prévenir que d'avoir une grossesse et passer à l'infanticide, à l'avortement qui risque vraiment de détruire leur vie, d'aller vers euh, qui sont passibles d'ailleurs de sanctions de pénales. sanctions pénales. Nous avons Amani Hashimou qui est démographe. Euh, un mot par rapport à tout cela. C'est vrai, c'est pratiquement un sujet tabou parce qu'en fait, c'est que le jeune, euh, religieusement, il ne doit pas être euh, en fait actif sexuellement puisque le jeune, en fait, il doit prôner plutôt l'abstinence jusqu'au mariage parce qu'on suppose peut-être que quand le jeune a accès, c'est donc pour être déjà dans la sexualité alors que la religion prône l'abstinence jusqu'au mariage. Quelle analyse faites-vous de cela Oui, comme vous venez de dire, la société nigérienne ne reconnaît la fécondité que dans le cadre du mariage. C'est pour ça que toutes les lois relatives euh, à la procréation tiennent compte de cette... Euh, mhm. donc, dans ces cas, on voit bien que lorsque un jeune n'est pas en couple, c'est très difficile pour lui de se procurer des moyens contraceptifs, bien qu'il en ait besoin ils pourraient en avoir besoin, mais c'est difficile pour eux et qu'ils s'en euh, procurent. On l'a dit, ce sont des problèmes sociaux euh, socio-culturels qui euh, pèsent sur l'accès à la, à la contraception. J'ai dit souvent que c'est sous achat parce que moi, je prends toujours la variable euh, l'éducation comme étant la variable fondamentale de l'explication de l'accès à la contraception. Parce qu'on se rend compte que euh, dans beaucoup de pays dans le monde, euh, si je prends par exemple l'exemple des pays euh, qui ont une certaine caractéristique euh, commune en termes de religion, on se rend compte que le Niger a un niveau de fécondité toujours le plus élevé que les autres pays musulmans mm. dans le monde. Mm. Donc, à travers cela, on se rend compte que ce n'est pas forcément la religion qui influence la fécondité, mais plutôt des facteurs euh, culturels locaux qu'on peut-être euh, un amalgame avec euh, l'interprétation euh, religieuse ou avec la perception on va donc euh, vous poser la question, Maïmoun Saleh. Mhm. Nous avons une grande problématique qui est là, c'est que la réticence des pareils de la société s'explique euh, souvent par le fait qu'il y a une grande problématique euh, d'abstinence sexuelle qui doit être préservée jusqu'au jour du mariage parce qu'on pense que le jeune doit avoir accès à ces méthodes contraceptives seulement et uniquement lorsqu'il est marié. Et quand même des valeurs qu'il faut promouvoir aujourd'hui quand on voit tout ce qui se passe dans la ville par rapport euh, à la dégradation des mœurs. Oui, Maïmoun Saleh. Donc euh, moi, la lecture que je fais de ça, je dirais de revenir un peu avant, en arrière, les années d'avant. Mhm. là L'enfant est obligé de s'abstenir jusqu'au mariage. Mhm. Donc, et la contraception, c'est après le premier enfant que la femme ou bien le couple doit avoir cette contraception. Mhm. Mais de nos jours, qu'est-ce qui se passe Il y a les parents, l'éducation sexuelle. Les parents ont délaissé ça. Donc, qu'est-ce qui éduque les enfants maintenant sur cette sexualité C'est les internets, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, les pères. Quelles sont les informations que ces enfants, que ces jeunes et adolescents reçoivent de l'extérieur Donc, nous allons laisser les enfants à, eux-mêmes. Mhm. Donc, par l'éducation des réseaux sociaux, l'éducation des pères. Qu'est-ce qui se passe maintenant Est-ce qu'ils ont ces informations sûres, claires et précises Ils ne les ont pas. Donc ils sont plus tentés à l'acte. Ils sont exposés aussi. Hum. S'ils n'ont pas reçu les vraies informations, s'ils n'ont pas été cadrés, comment est-ce qu'ils peuvent faire Donc ils vont aller faire l'acte. C'est après l'acte que les conséquences vont tomber. Ce que les parents supposent que leur euh, progénitures doivent rester dans l'abstinence jusqu'au mariage. C'est ça la problématique. Mais ses hein. parents savent que les, les, les, les, enfants ne restent pas tranquilles. Ils savent. Il y a des mères qui viennent, elles savent que les leurs enfants maintenant tentent vers un milieu où maintenant ils vont plus être, ils vont plus s'abstenir. Mais qu'est-ce que ces parents font Ils ne font rien, ils restent seulement juste espérant ou bien priant que ah, les enfants peuvent être, peuvent s'abstenir. Il faut que les parents maintenant attirent leurs enfants pour leur expliquer, pour les sensibiliser sur la, sexualité. Ou bien le jeune et adolescent, il parle pour, pour autre chose, pour avoir des rapports sexuels très tôt. Je crois qu'il n'a pas eu un encadrage. Moi, je, jette la, faute aux parents. Il faut que les parents ne trouvent plus le sujet de sexualité comme un tabou qu'on ne parle pas, vous voyez même en regardant la télé, et même nous, avant, on reste pas tout au salon, c'est-à-dire le père, la mère, les enfants, pour regarder les films ou les certaines certaines euh, émissions. Mais maintenant, ça se fait. Si ça se fait, c'est que ton enfant, il a droit aussi à cette information. Parce que si tu ne le lui donnes pas, il va aller la chercher quelque part ailleurs. Donc, il faut que les parents soient impliqués dans ça. Il faut qu'on implique aussi les jeunes. Les jeunes sont délaissés à eux-mêmes. Ces jeunes et adolescents, il faut les appeler. Qu'est-ce que vous voulez Votre avis par rapport à ça de façon succincte euh, Il est vrai que les jeunes n'ont pas cette tendance à aller vers l'offre de services. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des efforts. L'État a, a fourni des efforts, les partenaires euh, de mise en œuvre aussi ont fait des efforts il y a ce qu'on appelle les centres amis des jeunes qui ont fonctionné d'une façon ou d'une autre, ou encore les espaces sûrs avec euh, l'UNFPI. Mais ces centres amis des jeunes ne sont pas fonctionnels vraiment à, à la volonté des jeunes. Ces centres ne fonctionnent pas comme il se doit. Et ils ont leur désir. Mais la façon dont ces centres fonctionnent ne leur conviennent pas actuellement. Ne répondent pas à répondent pas vraiment à leurs Et quels sont leurs désirs C'est d'avoir des, centres qui sont clairement distincts des jeunes, des grands centres qui sont fréquentés par, par les adultes, mais qu'ils aient aussi des répondants jeunes. Ils veulent être isolés. Voilà, avec, des services. Vraiment que ce soit des services par et pour les jeunes. Pour finir tout à l'heure, en fait, il y avait la question sur euh, pourquoi les hommes ne sont pas favorables à l'APF. PF. Mhm. Ce n'est pas que les hommes ne sont pas favorables. En fait, il y a des hommes qui sont favorables et il y a des hommes qui ne sont pas favorables. Mais il faut dire que moi, selon moi, la décision, puisqu'on est toujours en couple, et la contraception dans un couple est une décision assez fondamentale. Mhm. Parce que si toi, la femme, tu veux avoir... Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire alors, puisque nous allons accélérer, nous sommes... C'est vraiment d'aller vers un choix éclairé mais consensuel. C'est-à-dire le dialogue. Le dialogue. Mhm. Par rapport à l'abstinence, il faut dire que ça, c'est la politique générale au Niger. L'abstinence est le maître mot de tout ce que font les différents acteurs sur le terrain. Mhm. De préférence, c'est l'abstinence. Mais on sait que les jeunes ne peuvent pas s'abstenir. Tous. Pas qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce qui Ils ne peuvent pas tous s'abstenir. Ça, c'est même ça. Il y a eu un temps, c'est une grande valeur qui était préservée pendant des, années. Et aujourd'hui encore. Et ça, c'est lié aussi Mhm. au contexte en ce temps. Et maintenant, le monde. Ce contexte existe mais maintenant, aussi bien sur le plan religieux que social. Il y a notamment certaines jeunes filles, leurs parents euh, leur disent bien qu'il faut rester cela jusqu'au mariage, on le sait bien. Donc ces valeurs bah, restent encore et je pense que est-ce qu'il n'y a pas nécessité de promouvoir ces valeurs Parce que quand on demande à tout le monde d'être engagé dans les PF, ce que les parents se disent, mais il ne va plus rester un enfant qui va rester tel que voulu par ses parents. C'est ça la problématique la planification familiale ne dit pas forcément d'aller vers la sexualité. C'est pour ça que je parlais de l'abstinence. Justement, c'est cela que d'aucuns ne comprennent pas. qui... L'abstinence est le maître mot. Hmm. Mais maintenant, pour ceux-là qui ne peuvent pas s'abstenir, puisque, en fait, c'est pas qu'ils ne qu'ils doivent forcément s'abstenir. Ils ne peuvent pas s'abstenir. C'est comme ça, c'est comme ça, je suis certain. Peut-être ça peut vous paraître bizarre, mais c'est une réalité. Certains ne, peuvent pas s'abstenir. Et ils seront sexuellement actifs. Et il faut le comprendre dans leurs ajustements. Donc, il faut trouver une solution pour ces gens-là. Ceux qui a une opposition à ce niveau, alors, contrairement aux prescriptions religieuses. Voilà. Donc, hmm. comme c'est pas forcément un cadre religieux, Mm. Donc, il faut comprendre la chose de façon like. Donc, euh, nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Maïmouna Saleh, quelle différence euh, y a-t-il entre planification familiale et limitation des naissances Donc, la planification familiale, c'est l'ensemble de toutes ces mesures, de tous ces services, vraiment, qui permettent à un couple d'espacer les, les, naissances, de planifier le nombre d'enfants qu'ils veulent au moment voulu. C'est différent de l'imitation. Et vous allez voir, la, définition de la planification familiale est propre à chaque pays. Mhm. vu le contexte. Dans un autre pays, vous allez prendre, c'est une limitation d'enfants. On la définit comme limitée avoir un nombre limité. Mm. Dans certains pays, par mm-hmm. exemple la Chine, la loi leur impose un nombre d'enfants. C'était le One, Child, one Child, qui n'est plus d'ailleurs appliqué. Euh, oui, appliqué. Quand vous prenez la définition de la planification familiale, il y a la limitation d'enfants. Alors que ici, vu le contexte socio-culturel et religieux, nous l'appliquons. Ce n'est pas une limitation d'enfants, mais c'est un espacement de naissance. Mm-hmm. Donc vous pouvez, par exemple, un couple qui décide d'avoir six enfants, huit enfants, c'est de décider chaque deux ans, chaque trois ans d'avoir un enfant. Donc voilà vraiment, c'est de faire la différence quand on dit planification familiale, n'est pas une limitation d'enfants, non, c'est un espacement du nombre d'enfants voulu par le couple. Donc nous avons euh, toute une gamme de méthodes contraceptives ici au Niger. nous avons des méthodes contraceptives qui sont euh, naturelles. Naturelles, c'est lesquelles Oui, naturelles, c'est-à-dire par l'allaitement maternel exclusif et mmh. d'aménorrhée. Mmh. C'est-à-dire que la femme, quand elle accouche, quand elle ne va pas ses règles, donc l'enfant a moins de six mois, et aussi quand elle n'allait exclusivement l'enfant qu'avec le lait. Là, mm. c'est une méthode contraceptive et d'améliorer d'allaitement maternel exclusif et d'aménorrhée. Mhm. Donc nous avons aussi certaines méthodes euh, hormonales, c'est-à-dire par le cycle menstruel. Donc nous avons ces méthodes de collier, les méthodes de calendrier, tout ça là, c'est des méthodes où les femmes doivent les utiliser mais avec des méthodes barrières. C'est pour les couples et ces méthodes naturelles sont utilisées si les partenaires, les maris, si le mari est impliqué dans planification. S'il est impliqué à 100% dans la planification familiale, ces méthodes peuvent être euh, des bonnes méthodes. Maintenant, nous avons les autres méthodes comme euh, les pilules, les méthodes modernes, comme la pilule, les méthodes contraceptives oraux. Nous avons euh, les progestatifs, c'est des pilules que la femme prend nous avons des pilules euh, de 0 à 6 mois jusqu'à l'enfant atteint 6 mois. Nous avons les méthodes progestatives, orales progestatives, c'est chaque jour. Nous avons des méthodes oestrogènes, mm. oestrogéniques, donc c'est de 6 mois à plus. Nous avons des méthodes progestatives, les implants c'est des implants qu'on euh, place sous euh, la banvra de la dame. Nous avons des méthodes aussi de longue durée. C'est ce qu'on appelle de longue durée de 3 ans jusqu'à plus. Nous avons des, le jadel, les implants, c'est les implants et le jadel. Nous avons aussi les méthodes injectables, progestatives, chaque trois mois. Donc, nous avons en dernier aussi le dispositif intra-utérin qui, est juste, part jusqu'à 13 ans, mais que la femme peut qu'on peut le retirer à n'importe quel moment. Nous avons toute une gamme. Euh, oui, nous avons toute une gamme et ces gammes de pré et le préservatif et aussi le préservatif ici attirer l'attention. Nous avons le préservatif masculin, nous avons le préservatif féminin et nous avons une autre gamme qui tendait à disparaître mais qui est là actuellement qui est le diaphragme. Ici, il faut attirer l'attention que pour un choix éclairé, il faut que toutes ces méthodes soient disponibles au niveau du centre. Hum. Si une de ces méthodes n'est pas disponible au niveau d'un centre, le client ou le couple qui vient on ne lui a pas garanti le choix éclairé. Nous allons poser la question donc au démographe que nous avons, qui est de l'initiative Oasis, c'est de nous dire euh, pour euh, terminer à votre niveau quels sont les défis liés à la croissance démographique euh, au Niger et ce que vous faites vous sur le terrain pour remédier à cela. Oui, les défis sont énormes. Les niveaux de fécondité restent toujours élevés et les facteurs qui influencent la fécondité ne sont pas euh, euh, toujours en train d'être réellement influencés mm-hmm. par des programmes, mais des efforts sont en cours. Euh, l'initiative Oasis, comme vous venez de le dire, euh, organiser l'avancement des solutions au Sahel est en fait une organisation qui vise à changer les défis liés à la population euh, dans euh, le Sahel de façon générale et au Niger euh, de façon particulière mhm. en agissant c'est les facteurs qui sont liés aux défis quotidiens liés à la, aux problèmes de population. Mhm. nous mettons un certain nombre d'actions telles que la formation et la recherche programmatique. Mhm. Au niveau de la recherche programmatique, euh, il y a des recherches euh, euh, quantitatives que nous mettons sur la question des populations, telles que l'évaluation des projets et programmes relatifs aux questions des populations. Et ces recherches quantitatives sont appuyées par des recherches qualitatives ou sociologiques mhm. pour approfondir les chiffres qui euh, ressortent de nos euh, recherches quantitatives. Et mhm. tout cela pour éclairer euh, davantage et de façon pertinente les interventions des organisations qui tendent à relever les défis euh, liés à la population euh, dans le Sahel et au Niger. On va donner la parole à Inosa C'est de nous dire en quelques secondes les stratégies que vous mettez en œuvre sur le terrain et votre mot de la fin puisque nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Merci. en termes de stratégie que mènent les organisations de la société civile sur le terrain, ce sont essentiellement des activités de sensibilisation, des activités de, de plaidoyer et qui peut prendre toutes les formes. Hein. Je profite aussi pour parler de politique puisque ces activités que font ces structures sur la place, en tout cas, tirent leur quintessence des politiques gouvernementales. Il y a ce qu'on appelle le plan d'action national budgétisé, et il y a pas mal de stratégies aussi, des documents stratégiques au niveau national, comme la prévention, la stratégie nationale sur la prévention des grossesses non désirées. Il y a la politique nationale du genre, il y a la politique nationale de l'agence. Il y a pas mal de documents, il y a le plan de développement économique. Donc vous faites des sensibilisations sur le terrain, on peut dire. Voilà, des sensibilisations. Merci beaucoup. Madame, pour terminer, quel serait votre appel euh, à l'occasion de cette journée mondiale euh, de la population, et euh, votre mot de la fin, en quelque sorte? Merci, Monsieur Michel. C'est qu'il faut revoir un peu la loi SR pour son application et qui permettent, qui garantissent vraiment le droit à la planification familiale et aussi de un appel, c'est l'implication des jeunes, surtout des jeunes et adolescents dans la prise de décision eh, qui les regarde. Il faut les impliquer et deuxième chose aussi, il faut impliquer les autres ministères qui travaillent. ce n'est pas seulement le ministère de la population, il faut aussi que le ministère de, de la Santé, le ministère de la Culture et de la Jeunesse s'impliquent dans le cadre de cette euh, journée du 11 juillet. Donc voilà un peu ce que je suis en train de dire, accentuer sur la sensibilisation, sur les activités de sensibilisation, de mobilisation communautaire aussi, l'implication des maris, l'implication des hommes dans la planification familiale. Et aussi en tant que prestataire, j'attire l'attention de nos prestataires aussi sur eh, le respect des clientes. Mmh. Sur le respect des clientes et aussi sur le respect, la garantie des services de qualité à la population. Parce qu'un client qui vient, qui est satisfait, il est obligé de revenir. Donc voilà vraiment euh, mon point de fait Amani mmh. Hashimou, démographe, pour terminer, mmh. un mot. Pour terminer, et en, en, un mot, c'est que les défis liés à la population au Niger sont réels. Mhm. et que des efforts sont à fournir. On les voit au niveau de la santé de la femme et de l'enfant, au niveau de la scolarisation des jeunes, au niveau de la santé, par exemple, on voit euh, euh, l'accès des femmes aux services de santé est limité, au niveau de la scolarisation des enfants, les infrastructures euh, sont, insuffisantes et tous mhm. ces facteurs sont à, à, favoriser pour que la population nigérienne puisse comprendre que la fécondité, la réduction de la fécondité peut contribuer réellement au développement du pays. Nous sommes à présent au terme de ce forum du studio Kalangu qui a abordé aujourd'hui la thématique croissance démographique et défis de développement. Quelle perspective pour le Niger Nous avons choisi ce thème à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la population qui est célébrée aujourd'hui, mercredi 11 juin. 2018. Euh, nous avons eu comme euh, invité Amani Hashimou. Il est démographe, chercheur à l'initiative euh, Oasis. Maïmoun Saleh, leader au programme de leadership au Sahel. Et Ibrahim Innocent, il est leader associatif engagé dans la promotion de la planification familiale. Nous retenons que la planification familiale reste encore un sujet tabou. Des efforts sont faits pour que ça soit un droit pour tout le monde. C'est la fin donc de ce forum. Au micro, c'était Michel Deji. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et au revoir.